temps peut-être daal di décennie mhm. siméru ki nga xam nekk moo di Bah mhm. euh, nous ñu aussi si euh, euh, li nga xam article 255 du code pénal bi mhm. bi nga xam moral exactement si offense contre une personne exerçant les prérogatives présidentielles conformément à l'article 254 cent 2 du code pénal leur arrestation jeudi bi ñu génn par la DIC a été initiée par le procureur alors avant que dire article 255 parce que gis neen abdoumbaou Abdou Mbow et compagnie japonais euh, cet article a été créé euh, peut-être euh, japonais pour <laughs> satisfaire exactement le roi japonais li musul am ko gis concrètement maintenant si Abdou ah. dit que vous faites Abdou abdoumbaou na article cet article a été créé pour satisfaire bourg hmm. kan non non oui non non non écoutez le code pénal le code pénal sénégalais. Hmm n'a pas été créé sous l'ère Diomaye c'est ce que je suis man pour nous xam le code pénal sénégalais n'a pas été créé sous l'ère Diomaye et Sonko donc Abdoumbo na pas il n'a pas d'argument il faut prendre il faut chercher des arguments pour défendre badia hmm. il faut chercher des arguments pour se défendre en tant qu'opposant mais il faut chercher des arguments mais dire que le code pénal cet article là n'existe pas a été créé pour peut-être satisfaire mais c'est archi faux qui a créé l'article 254 ou le 250 du code pénal Quand on a créé et ça date de quelle année <laughs> ça date de quelle année cet article là est-ce que vous avez créé dafa def une réforme euh, constitutionnelle hmm damay est-ce que Diomaye bu mu entre-temps dafa def réforme constitutionnelle ñu changer les articles Diomaye dafa gu fii dara même ça ça réforme judiciaire euh, de la justice ñu koy pour pour pour qui assise nationale maintenant si les bu ñu fait ñu je regrette hein, quand un député comme Abdou le dit je regrette je n'ai rien contre lui mais madame dem ham xam parce que il y a tellement de l'amateurisme dans ce qu'ils disent sëñ Fallou dafa am tellement de l'amateurisme dans ce que dit le député Abdou parce que je je suis ces émissions ah hein. si suivre naa émission am ak Maïmouna Ndour Faye non non, amna, ça existe ce qui est écrit ça existe bel et bien ce qui est écrit dans le code pénal Sénégal mais ça existe hmm. yow y a ni lire euh, article bi bu faites sa bëgg nga mën nga lire pour que suñu internet yi déglu li lire Abdou lan existé Yo, lire 254 l'article 254 alinéa 2 du code pénal mais c'est une fois, le lay invité ko. ok là il faut pas entrer dans la manipulation. alors nous devons cet article exactement la procédure de jugement en flagrant délit de Badjarati et de l'imam Cheikh Tidiane est mhm. prévue pour aujourd'hui lundi 27 mai les sages retenus contre eux relèvent de la division de fausses nouvelles en vertu de l'article 255 du Code pénal et de mm. l'offense contre une personne exerçant des prérogatives présidentielles conformément à l'article 254 alinéa 2 du Code pénal. Merci. euh, alors. Merci. Merci. cet article-là. C'est bel et bien écrit dans la Constitution et dans le Code euh, pénal. Dans le Code pénal, euh, la Une personne qui exerce les, prérogatives du chef du pouvoir du président de, de, de, de la euh, République. mais, mais, mais, mais, le la loi, le mais, mais, mais Diomaye quand il préside le Conseil des ministres, c'est pas Ousmane Sonko. Mais d'abord, là, qui est le, le, le chef de l'administration sénégalaise C'est pas Ousmane Sonko, en tant que Premier ministre. Mais il faut arrêter même les ministres de Ousmane Sonko waxuma la Ousmane Sonko en tant que PM le ministre de Ousmane Sonko il a les prérogatives et aujourd'hui il incarne ci yenn patch des pouvoirs du président de la République parce qu'il est son représentant. ci gox bu il est son représentant. il faut que les gens arrêtent Même je regrette fort hein, Serigne Fallou je ma que les députés ku melni Abdou Mbow disais wax man est-ce que Abdou Mbow lire le code pénal sénégalais est-ce que je peux lire en tant que député président du groupe parlementaire de Benno Bokoyakar, l'article 254 alinéa 2 n'existe pas n'existe pas l'article là est bien bien bel bien mentionné dans le code pénal sénégalais l'article là ça n'existe pas donc s'il y a défaut soit déggul français mom Abdou soit il ignore la raison tout simplement que ça soit dégoule Toubab, voilà, il ignore la raison. Pour ne pas dire que cet article-là existe bel et bien et est ancré. Ban Nanisha, euh, numéroté article B. 254. 257. exactement, si les que Modi euh, article B exactement. Euh, ils viennent de s'installer. Kounek euh, Khamnani, euh, euh, offense au premier, au premier ministre, personne m'a résolu exactement, oui. Alors, euh, est-ce que tamit Arfan tey mënuñoo xaar benn Clémence allant dans ce sens peut-être ça, peut-être nous ñu ngi temps de grâce. non non non comme ni exactement. non nous temps de grâce oui. non non la justice n'a pas de clémence. Hmm. c'est pas Ousmane Sonko qui a porté plainte. Attends, dama lay expliquer pour sénégalais comprendre. Non non, non. na ñu léral ci lolu parce que pour les pour sénégalais yuy sétane. Non, je ne parle pas d'Ousmane Sonko. D'accord, xamna xamna lolu. Xamna lolu. Mais quand les gens ay nit buñu taxaw di offense au au premier ministre amul du l'eau le wax. Hmm. offense au chef de l'État mo am du loolu lañu wax ñu ne l'article 254, dafa am prox ndoll bu fenêtre ni que boo offensé waxuñu sa offense nga tuumal nit bo bon ne lu dul dëgg ay sos ci une personne bo xamanté dañ ko délégué les pouvoirs quelque ci yalla le pouvoir du président de l'armée, boko offensé wala boko waxé waxee lu dul procureur auto saisir il n'y a pas de clémence à niveau de au niveau de la justice la justice n'a pas de clémence maintenant ce n'est la c'est pas Ousmane Sonko en tant que tel qui a porté plainte n'est mm. pas Ousmane Sonko bu porté plainte n'y a pas am clémence gentleman ne non damay dem retirer la place mm. dans ce cas dina ñu mën a bàyyi ñooñu mm. même euh, damay profité ci occasion pour wax la ci le cas de Imam Ndaw Imam Ndaw dafa ne moom mu mu ngay tuub moom dafa juum dafa reconnaître ni que dafa juum mu ngi tuub gis nga euh, euh, Imam Ndaw lu mu wax ni que dafa tuub bu fekkee woon Ousmane Sonko moo porté woon plainte dans ce cas Ousmane Sonko mën na retirer sa plainte contre Imam Daw qui euh, que dafa dafa da fay dem ci justice ne le procureur je vais retirer ma plainte bima ma contre Cheikh Tidiane Daw parce que il a reconnu les faits ni que dafa djoum Il dem tout simplement retirer cette plainte là mais la différence est que c'est pas Ousmane Sonko qui a porté plainte c'est le procureur qui s'est auto-saisi euh, donc il y a problème ça va poser défaut c'est au procureur de relaxer Imam Daou et bu que il a fait des aveux mais même si nous avons gëm dañoo droit ni que l'action judiciaire va continuer ba parce que l'un mooy yoon même bu fait que da nga reconnaître ni que da Dieu, mais l'action judiciaire a été déjà enclenchée hmm. dañu ko dañ ko entamé donc que mu dem ba egg de bi mooy maanaam ñu woolente ci procès ñom ñu ñoo taw taxaw layal s'en bop mm. mais ñakul aussi yoon dina tenir en compte ci ki taxaw ne carrément dama dune je reconnais que man ma nekul ci deug dama juum mom sentence am dina à a allégé wu que contrairement à Bah bu taxaw dina am man ma ngi tuuma lii Ousmane Sonko yorna ay preuves jusqu'à l'extinction du soleil ce badia là n'arrive pas à fournir des preuves il naan ay coupure de ay coupure de journaux andi c'est ça la différence entre Bagarate et l'imam Cheikh Tigandaou. Même si le Cheikh Tigandaou de faire c'est pas un imam qui doit dire ça. Ça aussi, il faut le dire. C'est très facile. il y a nga def li ne a des pare nga ont ne Il y ma dama bu tu es en train de créer un précédent dangereux bu subaa nit yi il rey nit dem ci yoon ne ma dama djum ay fait non dama juum je reconnais je reconnais que ni man mais entre temps dañ imam bu ko notamment là, ma entrer dans ce jeu là malheureusement je dis bien la justice ne connaît pas ça justice ça justice bu xasee bon, enclencher une action judiciaire action judiciaire boobu day dem c'est ça la justice mm. il là, entre temps que porter une plainte bi décide de retirer sa plainte ou bien le procureur décide d'arrêter les poursuites là ne na pas freiner mais toutefois le procureur ne décide pas d'arrêter les poursuites procédures yi day dem ba egg motax ngeen gis war nañu taxaw devant euh, euh, le juge layal layal sen bop c'est ça l'action judiciaire alors c'est exactement voilà li nga que action alors euh, taf ñu dal jàllaa si point exactement Afan par rapport à